M. Rafal est un homme d'une dimension exceptionnelle, inqualifiable. Personne ne pouvait mesurer son existence. Un homme, ce que nous pouvons aujourd'hui, c'est de prier tous ensemble. Vous avez ici tous nos amis qui sont là le maire Baledjei, il est là. Il a été de tous les combats auprès de Cora. André il, est là. Il a été de tous les combats. Je disais que la politique nous a rattrapés. Cora n'était pas un politicien. C'est production de refus. Et son combat à lui, c'était de faire retourner la mairie de Rufus qui était rattachée à la commune de Grand Dakar. Il a réussi, il a plaidé avec... Waraan nag nit ku baax la bu ko yàlla fayee xolam ak li mu def ci tëngéej gii yàlla bu ko réer ndaxte un c'est un homme social lu mu am rek ci social la ko def lu mu am ci dimbali doomu aadama njaay la ko def man Kora dama ko doon politique ba pare nu bokkoon benn bureau bu nuy liggéeyee. Égypte tubaakàlla jaar umra jaar umra fekk la ma sa dugg màkka nga xam ne kooku c'était un homme de